consultation gratuite en partenariat avec HPS, euh, House Peace of Sharing, dirigé par mon ami Luc et sa merveilleuse femme, vraiment l'infatigable, Madeleine. Et toute l'équipe de HPS qui, depuis le début jusqu'à présent, ont vraiment mis tous leurs efforts à contribution pour cette réussite de cette journée. Et au-delà euh, de cette journée, nous avons eu la chance d'avoir Corasol, qui est une organisation aussi euh, qui se bat pour le cancer, donc tous les cancers. Et vraiment, ce que j'ai aimé dans tout ça, d'après donc ce que notre ami nous a présenté, c'est l'inclusion. Nous, notre objectif, c'est d'être euh, engagés et déterminés. L'engagement et la détermination, c'est ça notre slogan. Donc, euh, on ne va pas s'arrêter au 13 juin seulement. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Donc ce sera une continuation, un suivi, un accompagnement aussi pour vous. Donc HPS aussi remercie aussi l'association Corosol qui est toujours là pour nous et euh, avec euh, le Dr Dem. Vous aurez aussi des dermatologues aussi qui seront là aussi donc pour vous accompagner toute la journée. Et durant toute la journée aussi, nous, allons faire aussi la sensibilisation aussi sur la stigmatisation des, des albinos et autres. Alors nous, euh, notre association, c'est de l'accompagnement pour les personnes, toutes sortes de cancers, euh, mais aussi pour euh, les accompagnants. Et c'est dans ce cadre-là que je situe notre présence aujourd'hui ici, aux côtés euh, de HPS, mais avant tout aux côtés de l'association qu'anime si bien Bamba. Parce qu'il a fait un plaidoyer tout à l'heure auprès, bon ben, je pense, de la communauté sénégalaise, bien sûr de l'État sénégalais, mais de la communauté, parce qu'en fait, moi je dirais pas les albinos, hein, les personnes qui vivent avec l'albinisme. Parce qu'en fait, c'est une maladie, mais si elle était vraiment prise en charge, euh, pourrait quand même euh, faire en sorte que ce soit pas un fardeau pour euh, les personnes qui vivent avec l'albinisme ou leur famille. Et Inch'Allah, l'année prochaine, notre association accompagnera mieux l'association euh, des personnes qui vivent avec l'albinisme, mais aussi de tous les partenaires et notamment HPS. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, peut-être l'année prochaine, euh, pour éviter quand même que des personnes fassent le trajet si loin, pour mériter une consultation et des vêtements, qu'on puisse décider peut-être que entre nous, que le mois de juin soit le mois de la lutte contre les méfaits de l'albinisme, euh, aussi bien euh, de santé que sociaux et psychologiques, et que peut-être euh, chaque région du Sénégal puisse polariser une consultation à l'image que HPS organise pour l'association. Donc peut-être ça, ça peut être, Monsieur le Président, un de notre projet, que le mois de juin l'année prochaine et que dans les 14 régions du Sénégal, on organise ce qui se fait aujourd'hui ici et euh, je pense qu'on va se serrer les coudes. Et au mois de septembre, Inch'Allah, on vous remettra un lot euh, de produits euh, anti solaires parce qu'on n'a pas pu nous organiser avant. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a peut-être des moyens naturels où on pourrait. et je vais essayer de réfléchir à ça et de, de faire une recherche. Ça pourrait être notre contribution au sol. Des moyens naturels de fabriquer des produits euh, contre le soleil et que, que les personnes qui vivent avec l'albinisme n'attendent pas des, journées comme ça pour recevoir des produits qui viennent d'ailleurs, Ou c'est lourd pour vous. Je sais que vous avez dépensé beaucoup de stress, euh, beaucoup d'inquiétude à arpenter les couloirs. Euh, de la douane, du ministère et tout, mais surtout parce qu'aujourd'hui, certains des produits aident et soulagent, mais peuvent apporter autre chose parce qu'il y a quand même des conservateurs chimiques. Quoi. Donc ça, c'est aussi un deuxième projet que nous pourrions mener ensemble. En tout cas, nous sommes très fiers et nous sommes très contents d'être avec vous, les personnes qui vivent avec l'albinisme, et on espère que cette petite goutte d'eau aujourd'hui euh, sera un soulagement pour vous. Cancer de la peau, euh, yéen bi nga xamné né ne yéen yenn sujet yi nga xamné né dafa sensible da ngeen war a moytu naaj bi parce que foog ngeen di utiliser crème solaire te crème crème solaire yooyu le dafa am njëkk c'est vrai que yéen ñëpp euh, dina yenn saa yi ngeen am ay don yenn saa yi doo leen ko am te soo leen ko amulee da ngeen war a euh, di sol yére yi nga xam ne ne dañu gudd loxo yi dañu parce que c'est vrai que tàngaay bi ngeen di sol manche longue dafay mais manche longue moo baax ci yéen te ngeen di sol en coton mooy bu ñu euh, ak di sol chapeau yu large lunettes de soleil Lunettes lunettes, sont dafa am protection du lunettes jot rek mbedd bi ko da ngeen di protéger problème ou vision ci degré UV solo yi dafa am waxtu yi nga parce que les enfants sont plus sensibles donc les enfants di yi ñuy génn ci mbedd moy waxtu bi nga xam ne naaj bi amul naaj wala naaj bi néew na après 5 heures ngeen di wara baye xalé yi ñuy fo mais boru 10 heures ba 14 heures ba surtout yoy waxtu yoy la nga xam naaj bi da fay nekk ci au plus sommet moy liñ koy waxee miñ ci kawa a kaw te dafay gën a saf waxtu bobu boobule da ngeen di def attention bu len baye xalé yi parce que xalé yi xamuñu. Euh, protection li war solo. en marge de cette journée euh, l'association des albinos ANAS nous a contacté et nous a demandé d'organiser avec euh, elle cette journée de consultation médicale en prélude à la, à la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Nous savons tous que le cancer est une maladie très difficile. Ces albinos qui sont là ont un problème. Ce problème, c'est quoi C'est le manque de mélanine. Qu'est-ce qui est dû à ce manque de mélanine C'est une maladie donc euh, qu'on appelle l'albinisme. Et ce manque de mélanine est dû donc euh, à le fait que un mâle et une femelle qui sont porteurs du gène de l'albinisme, donc euh, qui se croisent et ont mis au monde des enfants albinos. Donc, aujourd'hui, le problème de l'albinisme au Sénégal, c'est quoi C'est que ces gens qu'on voit ici n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de leurs droits humains. Leur droit est bafoué au Sénégal et en Afrique. Pourquoi Parce que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait partie de la nation c'est une minorité qui doit bénéficier de ce que propose la nation. Et je pense que, étant membre d'une nation, nous avons des droits. Au-delà de ces droits, si on vit avec un handicap, si on vit avec une maladie, on doit encore bénéficier de privilèges. Mais malheureusement, le problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation. Nos autorités ne sont pas informées. Il n'y a pas de recherche adéquate qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des recherches sur cette pathologie, voir quels sont les problèmes, voir les solutions et essayer de les résoudre. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous adoptons une société inclusive, ces enfants qui sont là, ces mères de famille qui sont là, ces pères de famille qui sont là, n'auront pas à pleurer sur leur sort. Parce qu'ils font partie d'un pays et ce pays-là a le droit de reconnaître ces honnêtes citoyens et ces gens-là qui sont là font partie de la société. Donc si aujourd'hui leurs droits sont bafoués, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès aux soins de santé, ce qui est capital pour ces enfants. Aujourd'hui, on ne doit pas regarder ces enfants mourir parce que quoi Ils sont des albinos, ils sont issus de familles pauvres, ils n'ont pas de personnes à leur chevet pour les accompagner et les soutenir. On est à 92 albinos et notre objectif, euh, c'est 150 albinos. Donc euh, il y a un camion, il y a un car qui arrive avec des albinos parce qu'en fait, ce sont les albinos euh, qui viennent de toutes les régions. Donc il y en a qui sont en cours de route. Donc d'ici midi, normalement, nous devons recevoir à peu près 150 à 175 albinos. man daf ma dab depuis ma am 14 ans la ma dab génn di génn par ndànk-ndànk daal man dama ñuuloon ko mais lii daf ma dab mais eh dañ mel ne lii manque de mélanine la waaw léegi nu ngi koy dundee mooy ngay protéger wu ah di kii di di di di naaj bi waaw day di moytu naaj bi tamit di moytu tàngaay bi ak coono yi metti yi loolu daal lañ ma wax ah may nekk ko sama sama sama famille tam di ma ci jàppale di ma di ma kii di ma jàppale yàlla ma tam jëkkër joo xam tam tamit daf may jàppale di ma encouragé toujours. di wax albinos yëpp ñu ñu ñu gëm seen bopp xam ni xam na ñu ñun si si réew mi loonu bokk aussi tamit xam nga rek lépp daal du lépp lan lay defar am ñi nga xam ne yaa koy mottali sa bopp. nee ñu ma naa atu naaj bi aussi tamit. naay sol ay yëre yu gudd di sol ay waxane um, affaire yooyu noonu mën nañu wax dañ doon jàng ñu demb ba si biir ñu am ay gàllankoor gàllankoor yi mooy am problème vision xam nga lool moo yàq sunu jàng loolu moo tax nii nii instant suñu jàng dafa yàqu. mooy ñu am yërmande nangu dogal suñu borom yàlla mooy dogal bu la joxee doom de da am ci moom yërmande di ko toppatoo di ko couvrir ci naaj bi ak tàngaay bi waaw di ko ne ko nit nga si nga bokk. yàlla moo def ne mel ni di ko di ànd ak moom daal di ko di ko jàppale waaw di ko jàppale mu ne bu fe waree jàng jàngal ko dégg nga di ko jàppale daal si yére yi muy sol ak fi muy dem ak naaj bi parce que naaj bi moo leen gën a sonal moo ñu gën a sonal dee leen kii si naaj bi waaw di couvrir xale yi surtout xale yi xale yi ndeysaan xamuñu dara yàlla moo leen ko teg yow bi nga xam nag si yow ko yàlla jaaral na nga am yërmande ci ñoom na nga am yërmande di leen jàppale bu baax Cette initiative qui aujourd'hui a combiné plusieurs efforts, des efforts de partenaires, des efforts de médecins, du staff médical, et je salue par l'occasion notre infatigable docteur Dem, qui s'est déplacé, et tout le staff de l'hôpital américain, qui nous ont donné leurs locaux et qui ont mis à notre disposition aussi des médicaments. Je ne saurais citer la participation du ministère de la Santé qui nous a envoyé aussi un lot d'équipements ce que nous saluons parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, les consciences ont commencé à s'ouvrir et que les autorités commencent à comprendre que euh, l'albinisme aujourd'hui est incontournable au Sénégal. Pourquoi Parce que la population commence à s'agrandir. Si on parle de 10 500 cas au Sénégal, ce n'est pas une petite minorité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces gens qui sont là ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Et je pense que en allant pas à pas, vers l'opportunité de pouvoir les aider à avoir accès à une consultation gratuite, à avoir accès à d'autres services, parce que je pense qu'avec le partenariat euh, de HPS, ce qu'on a décidé, c'est qu'au sortir de ces consultations gratuites, de voir les personnes qu'on pourra suivre pas à pas pour les aider à avoir une bonne santé. Ce n'est pas un élargissement de nos actions, c'est juste euh, que l'ANAS fait partie de la Ligue nous aussi, HPS, nous sommes membres de la Ligue, nous faisons partie de la Ligue, donc nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, comme ils organisent cette journée, je crois que la Ligue, elle est là, nous, nous sommes là, nous sommes là pour les accompagner. Donc nous sommes tous ensemble. Alors, le cancer, HPS euh, est beaucoup plus orienté vers le cancer du sein et du col de l'utérus. Mais le cancer de la peau qui euh, touche les albinos, qui sont aussi membres de la Ligue et qui sont nos partenaires, quand il y a une journée comme celle-là qu'ils organisent, qu'ils organisent, nous sommes obligés de les accompagner. À cause du manque de mélanine, l'albinos a une mauvaise vision. Donc ce centre aujourd'hui qui doit faire tout ce service-là, mais aussi aider les altitudes à bénéficier donc d'une formation adéquate, formation professionnelle. Ces albinos qui sont là doivent être des acteurs économique dans le Sénégal. Et aujourd'hui, quand on nous parle de programme Sénégal émergent, avec tous ces programmes de filets sociaux, la bourse familiale, la couverture maladie universelle, aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons aux autorités parce que avec tout ce groupe-là et tous ceux qui sont en route pour venir, si on peut compter, il n'y a qu'une tierce personne qui bénéficie de cette carte, mais qui jusqu'à présent n'ont pas commencé à bénéficier des fonds. Les consultations portent sur euh, la peau, le dépistage du cancer de la peau, parce que vous savez que les albinos, ils ont un problème de mélanine. Alors, euh, ce qui les expose souvent au cancer de la peau et à d'autres problèmes euh, de la peau. Ensuite, ils ont aussi un problème euh, de vision. Donc, il y a une équipe d'ophtalmologues qui sont là pour aussi voir un petit peu de ce côté. Et euh, il y a les enfants, la pédiatrie, pour voir un tout petit peu quels sont leurs problèmes, parce qu'ils ont des problèmes d'irritation, les yeux, la bouche et tout ça là.